qu'on a eu le visa en bon uniforme. Ils disent qu'on n'a pas eu le visa en bon uniforme. Donc, ils ont eu peur parce qu'ils ont vu que les jeunes sortaient en masse, mhm. venaient en masse, du déglou. Donc, nous affaire mais non on n'a pas d'âme cocktail molotov waaw mais par voie officielle jot nañu encore yeneen xibaar yu dalal suñu xel parce que dès buy caat di def déclaration mm. on n'avait pas eu les nos autorités mais par chance nous avons eu au passage monsieur le ministre des affaires étrangères message il nous a envoyé un message pour dalal suñu xel hier euh, des gens du consul leur ont rendu visite ils ont à manger ça se passe bien ils sont en bonne santé Nous lu ñu wax ñun moi, on les a pris avec des journalistes occidentaux. On a relâché les occidentaux et on a retenu les Burkinabés et les Sénégalais et les Congolais. Donc ça veut dire qu'ils ont plus de respect pour les ambassades étrangères, pour les occidentaux, que pour les Africains. On parle d'Union africaine, il y a un problème. Ce pays a signé quand même euh, des papiers, des documents de l'UMOA, etc., etc. Ils ont signé pas mal de conventions. Mais ils se permettent de faire certaines choses, c'est se dire d'accord, vous êtes sénégalais, ne venez pas chez nous. Ça, c'est l'Occident qui nous a imposé ça. Partout en Afrique, on parle le peuple, on parle d'autres langues qu'on partage, on a des valeurs, on a les mêmes rites, on a les mêmes coutumes. Mais parce que 400 ans derrière, des gens sont venus en Afrique, on dit voici le Sénégal, voici le Mali, voici, etc. Et pourtant, Mali Congo donc il est où le problème donc ce qui me fait mal c'est je me suis réveillé je me suis dit mais c'est quoi cette hypocrisie là mais encore une fois de nuit hypocrisie hypocrisie comment. hypocrisie en disant lan fait fay def lu ci s'en déf, mm. doo yem fait mais l'unie de def fii la on est invité à des conférences dans des instituts comme ISM IAM Subimax j'en passe on parle de l'expérience on est allé faire la même chose mais quand des Sénégalais se lèvent et, pour, et, et, et ay yem ils sont exactement aliénation mentale bi Babylone indil parce qu'ils pensent oui on est au Sénégal affaire bi Sénégal du mais je suis désolé ce qui se passe au Mali peut, peut, arriver ici ce qui se passe dans d'autres pays peut ça à un certain moment il est où l'Union africaine mais il y a les États-Unis d'Amérique comment ils ont fait il y a l'Union européenne, comment ils ont fait. On parle d'Union africaine, elle n'existe pas. Je suis désolé. Mais là, il y a l'Union africaine des peuples. Ça commence à travers des mouvements. Comme il y en a marre, on est allé au Burkina, on a vu le balai citoyen, ce que, ce que ça fait. Les sofas, on est en, contact avec Echame Congo, le Cameroun. On doit aller bientôt au Burundi, au Niger. Il y a Djili qui revient du Maroc. Euh, on est allé au Ghana, etc mais partout parce qu'on est invité pour partager l'expérience. Et on voit que cette jeunesse est en train de se donner la main. On voit que cette jeunesse ne fait pas comme nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, à un certain moment, l'Union africaine, elle n'existe pas, il faut se dire la vérité. Mais quand on voit au niveau citoyenneté qu'il y a une collaboration, que c'est en train de tisser des liens, on est en contact avec quasiment toute la société civile. Partout, les gens ont, pris le modèle Yonamar et ont créé des Yonamar chez eux. Mais citoyens, pour se battre, descendre dans la rue. Est-ce que moi, tu me vois comme un commando Est-ce que les gens croient que nous, on n'a pas fait des études On a les mêmes diplômes que nos dirigeants. On a fait les mêmes écoles. Mm. On a eu les mêmes résultats et voire même mieux que. On a fait le tour du monde. Mais on n'est pas des ignorants quand même. On ne va pas se lever un beau jour et dire direction Gambi euh, Gambie ou la direction alors qu'on n'est pas invité. mais ça, il faut faire comprendre ce message mhm. C'est -ce que, ça a été fait C'est que euh, euh, des fois, j'ai honte d'être sénégalais, honnêtement. Pourquoi Parce que tu vois un mouvement comme il en a marre. Le Canada, les États-Unis, le Niger, le Ghana, tout le monde est en train de, de récupérer. Déjà, ils nous taxent de rappeurs. Arrêtez, il y a cinq ou six, il y a, une dizaine de rappeurs dans le mouvement il y en a marre. Il y a des docteurs, des avocats, des juges, des journalistes, des, des agriculteurs, marchands ambulants, il y a, du tout dans ce mouvement. Mais pourquoi à chaque fois rappeurie, rappeurie C'est vrai, nous Mais rappeur, Djangoul, moi je suis directeur de société, je paye des gens, j'ai des diplômes, j'ai fait le tour du monde grâce au rap. Grâce au rap. Grâce au rap, je paye des gens qui, eux, nourrissent leur famille. Grâce au rap, j'ai texte ma Grâce au rap, si monsieur le président de la République marche dans la rue, me croise, il passe par mon nom. C'est grâce au rap. Grâce au rap, je travaille avec des grosses boîtes comme la 2STV. J'amène des millions ici grâce au rap. Demandez euh, au service comptable. C'est grâce au rap. On n'est pas des vauriens. On n'est pas né de, la dernière pluie ou venu comme ça pour chercher de la promotion. Non. Les gens là-bas, euh, ils, ont risqué leur vie pour quand même une union africaine, pour, une meilleure démocratie à l'africaine encore, pas à l'occidentale. Mais aussi, euh, avec comme gouvernement congolais bi nga xamante ñom ñoo xawon tiit ne est-ce que ñi duñu fi créer li nga xamante moy comme li amone Sénégal moy le 23 bobu non est-ce que loolu lañ doon tiit aussi motax ñu ne attends il faut les arrêter parce que li buñu ko baye mëna na jur li juron li amone sen dëkk ñu indi ko ci dëkk bi fini xam nga ñom li gars yi xamul moy créer nañu sen ay mouvement ñu won nañ fi ba gisante ak ñun créer nañu sen ay mouvement mm-hmm. def nañu sen ay rassemblement depuis janvier mm-hmm maintenant nous créer un cadre pour les ONG les organisation de la société civile Nous Nous, rencontrer pour partager notre expérience mmh. Mmh. mais ils sont déjà dans le processus c'est gouvernement gouvernement nous nous, nous, nous nous gouverner pousse pousse cette période-là, elle est révolue en Afrique. Et à un certain moment, il faut que quand même des États comme le nôtre, qui sont démocratiquement prêts en avance par rapport aux autres, mhm. prennent cette responsabilité dirigeants président c'est un président jeune encore une fois on remercie l'État parce que franchement, depuis hier jusqu'à 1h, 2h du matin, mhm. Souleymane Jules Diop, le ministre euh, Monker Ndiaye, avant-hier, 3h du matin, nous Djoko. Donc, ils, sont vraiment saisis de la chose. Mhm. Donc, on les remercie au passage. Mhm. Mais il faut qu'à un certain moment, ils prennent leurs responsabilités et que nous, Bagnotok, des dictateurs ou des gens qui veulent passer le relais à leurs amis ou le prendre en, otage tout un peuple. À un certain moment, il faut qu'ils prennent. Il y en a marre, on se dit juste des jeunes. Ça change. Aujourd'hui, on est un village planétaire. Mhm. À travers Internet, on est en contact avec tout le monde. Mhm. Man, ça m'a fait plaisir. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, Nyom Syriac, Abidjan, tout le monde, Mauritanie, tout le monde m'envoie des messages, tout le monde appelle et mhm. c'est en train de faire, madame, tache d'huile un peu partout dans le monde. Et c'est dommage que le monde s'approprie un mouvement. Mais moi, il m'a expliqué. Nul n'est prophète chez soi, d'accord on a vu Cheikh Anta bu mu lañ ko respecté Lumumba mu lañ ko Sankara mu de. nous on va pas leur, laisser ce plaisir c'est pas suñu deewee qui respecter respecté si suñuy dund la respecter respecté bañ parce que yalla dëgg la bëgg bon léegi si dafa am loo xamante ne jot na xew muy actualité moom moo fi xew léegi lii naawul freiné benn yoon seen ak seen activité yi nga xamante ne moom ngeen di amal ci yi di ñëw. Mhm. parce que ker démb ci caat dégg nañ ko muy wax ni nekkul ay dóor nekkul ay tëj prison nekk ay buntu xatal ñuy arrêté ñoo leen arrêté dañuy dem te kenn du leen arrêté. Mhm. mooy li may expliquer ñun dañu nangu nekk ay agneau du sacrifice mais encore une fois bëgguñu bu ñu deewee la ñuy reconnaître loolu c'est de notre vivant qu'on va essayer de planter des graines un peu partout encore une fois une démocratie à l'occidentale mais à l'africaine parce que xam nga les occidentaux ils dañuy une nañu démocratie droit de l'homme truc la charte du monde, les femmes ont eu le droit de vote avant la France Nous, on a notre démocratie à nous valeur nous valeur un peu partout en Afrique pour vous avez été premier en mathématiques en construction l'Afrique a toujours été premier en matière de démocratie les modèles fii lañ ko jëlee dem yóbbu Babylone nous ñu façonné nous ko imposé, nous avons divisé, tas avons fait ñu ba Nous avons du wax yor monopole maintenant si nous avons ay ndaw ñuy commencé à ay connexion yu mag yi amul ñu gis ay ndaw mu commencé à def di émule Togo les Citoyens, Filimbi RDC là on va au Burundi dañu ne fépp fu ñu wo dañuy dem mënuñ ñu xoxatal xam nga tay fogg nañ ne Malal Fadel ñoy bop bi Thiat génn na fële Simon génn na fële suba dinañ fogg ne ñom ñoy bop bi Ibamar génn fële Aluncho Thiaw génn fële gannaaw suba ñu fogg ne ñooñu Kilifa ñëw Sofia ñëw sek ñëw des gens yo xam les gens se rendent même pas compte qu'ils sont dans Y'en on le on on les voit pas souvent à la télé ce n'est pas des rappeurs mais ils sont là parce y en a marre c'est une tête à plus c'est c'est benn corps là, mais à plusieurs têtes et lolo tax ñu Ken mënu ñu téré def lu ñuy def parce que dañu gis né yoon bi fi la mag yi ay Sankara ay Mandela ay Lumumba ay Cheikh Anta Diop dañu won yoon même suñu kilifa diiné. Fi kan mo fi gëna xex xeex Bamba kan mo fi gëna xex xeex Baye ils nous ont montré la voie maintenant ñoom ay wàlliw lañu dañu amoon seen manière mais dañu nekk ci benn monde boo xam il faut nga indi manière mais lenn rek mo am solo té moy point de rencontre de loolu yëpp mooy dëggu dëggu mais su fekk ne mënoo xeex nopil maanul mais ngay bakar di sos ay da ngeen dem fële jàngale ay nit nu ñuy kiiwee non dañu dem partager expérience citoyenne euh, maa ngi jéggalu nag ci xadar bi parce que nu ma yeewoo la avec des je m'excuse vraiment pour Paulette aussi balaa ñuy commencé dóor nañu mbaj nañu lu def nañu ko il nous a maltraité mais bon jéggalu quoi en plus je suis je l'admire vraiment mais ma ni ngi xam nga à ses ah, côtés parler c'est que ça fait vraiment mal en tout cas je comprends hein vous n'avez pas eu peur du tout hein parce que gëm naa ne avec les loxo qui volent un peu partout c'est une guerrière au moins c'est sincère et euh, moi j'aime les gens qui sont sincères et qui prêchent euh, déjà, euh, mm. comme on dit, aide l'Afrique à avancer, à aller de l'avant, parce qu'on en a besoin. Comme il dit, l'unité africaine, il faut que moi me fie. Mm il faut que les gens sachent que c'est important pour nous, c'est important pour les Africains. Et ça commence par là. Et comme l'a dit un des téléspectateurs, mm. en tout cas, M. Kabila doit savoir qu'il doit quitter le pays et qu'on doit éviter surtout d'être des dictateurs, nous, mm. Africains. Mm. Je pense que c'est ressorti dans les propos de, Simon Yanama. On aurait pu avoir un débat d'une heure ou deux heures, par <laughs> exemple, mais ça, c'était juste 15 minutes. Et eh bien, on a eu la, possibilité de l'avoir sur ce plateau pour parler quand même. Et je suppose et j'espère quand même qu'ils reviendront au Sénégal sains et saufs et

ñëw leen bës waxtaan ji bës <laughs> bu ngeen ñibbisee ñu waxtaan ci bës bi waaw nee na ça va faire comme bi nga ko tuddee bës bi laa ko tuddee waaw kon samedi bu ngeen def bës. incha allah wax li ngeen dund foofu yëpp. <laughs> incha allah alors affaire parce que man. jiwu hmm. rab juk bëgg naa gis. non